auditeurs, bonjour. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de notre émission Les Niger c'est Kalangou. À la présentation, je suis Habiba Ahmed et à mes côtés Mariam Adi. Bonjour Mariam. Bonjour Habiba. Comment tu vas Ça va bien, prête pour démarrer la semaine Oui. L'édition est assurée par Rahida Toussoumana et à la technique nous avons Seni Isaka. Alors Habiba, comment allons-nous accompagner nos auditeurs aujourd'hui Mariam, nous débutons avec les flashs d'information. Notre invité sera M. Abdelrahman Al-Hassan Mohamed, un jeune entrepreneur. Il nous dira un peu plus sur le métier d'entrepreneur dans un instant. Pour l'écho des régions, nous irons à Difa à la rencontre de structures féminines. Elles contribuent au développement de la communauté. La rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, comme tous les lundis, est consacrée aux questions de justice. Interviendront après les lotis préparés par l'équipe femme du studio Kalangu, précédée par la page sport. Évidemment, les Niger sur Kalangu, c'est aussi de la bonne musique nigérienne. Nous allons boucler cette édition avec les messages de nos auditeurs. Prêts pour le décollage, c'est parti! On débute cette émission avec les flashs d'informations présentés par Rafika Tahera. Bonjour Rafika. Bonjour Mariam, comment ça va ça va bien. Quelles sont les nouvelles, Rafika Alors, pour ce matin, selon une décision du Conseil des ministres du 2 mars, le nombre minimum des pèlerins au Hajj 2024 requis pour constituer un groupe d'agences de convoyage a été revu à la baisse. Ainsi, initialement fixé à 1000 pèlerins, le seuil a été baissé à 400 pèlerins. Cela pour permettre à un plus grand nombre d'agences de participer à l'organisation du pèlerinage. Le pipeline Niger-Bénin a été officiellement mis en service ce 1er mars 2024 avec une longueur de 1980 km dont 675 km sur le territoire béninois. Cette infrastructure va permettre d'exporter le pétrole brut du Niger vers les marchés internationaux en passant par le Bénin. Ce nouveau système sera également bénéfique pour les pays voisins tels que le Tchad, le Mali et le Burkina Faso. Le premier chargement est prévu en mai 2024. Et enfin, dans ce flash hors de nos frontières, le président de la transition tchadienne, le général Mohamed Idriss Déby, a annoncé le samedi sa candidature à l'élection présidentielle le 6 mai prochain. Au pouvoir depuis avril 2021, le chef de l'État tchadien a accepté d'être le candidat d'une coalition de partis pour un Tchad uni réuni autour du MPS, le parti au pouvoir à l'époque du défunt maréchal Idriss débit Et voilà pour le flash de ce matin. Merci, Rafika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de cette émission, nous sommes avec M. Abdrahman Alassane Mohamed, jeune entrepreneur qui détient une entreprise audiovisuelle dénommée Alambo Art. Bonjour Abdrahman. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de vous donner la parole, nous allons d'abord ouvrir notre playlist et la première musique de notre sélection est Amidine du guitariste Hasso Akote. chante la tristesse et l'amour. Il évoque sa propre expérience et nous délivre au fil des années des rides, preuves qui ont marqué sa vie. J'avoue qu'il est très écouté par les jeunes et les moins jeunes. Il reste l'un des meilleurs guitaristes de la région d'Agadez. Et ce titre Amidine que vous êtes en train d'écouter veut dire mon ami. Rappelle l'importance de faire les bons choix pour nos fréquentations. Il nous conseille de choisir comme ami une personne qui te sera fidèle et sincère, qui défendra ta cause partout où les besoins se fera sentir. Oh, Tak tak tak tak Midi à côté. À présent, retour au studio avec notre invité du jour, M. Abdurrahman Al-Hassan Mohamed. Rebonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, est-ce que tu as aimé cette chanson euh, Aimé, bien sûr, parce que la chanson est en train de parler de la tristesse. Et qu'est-ce qui parle de la tristesse mais me rend fort pour ne pas laisser la génération à venir être dans cette tristesse. D'accord, Abdurrahman. Alors, <laughs> parle-nous un peu de votre parcours mon parcours, euh, fait, je suis artiste de formation. J'ai fait la filière art et culture, filière art et culture, master 2, en conception et mise en œuvre de projets culturels. Et j'ai fait pas mal de formations sur euh, l'audiovisuel en tant que tel. Qu'est-ce qui vous a poussé dans l'entrepreneuriat C'est un rêve. Revenons à Martin Luther King qui dit I have a dream. I have a dream. J'ai un rêve. Et mon rêve, c'est d'avoir ma propre entreprise. C'est ce qui m'a poussé à, à, entreprendre en général et avoir ma structure en particulier. Pourquoi spécifiquement le domaine de l'audiovisuel Ok, l'audiovisuel parce que dans le passé, j'étais formé par euh, corps le corps de la paix, le corps de la paix en caméra, photographie. Ça, c'est juste une formation lorsque j'étais au, lycée et ça m'a poussé à vouloir aimer le domaine. Par la suite, j'ai continué les études, mais ça m'est retrouvé. En réalité, j'avais ces rêves, mais je ne savais pas comment les réaliser. Et du coup, j'ai fini la formation universitaire, je suis revenu à Niamey, j'ai vu les artistes, comment ils font les choses. Ça m'a poussé à revenir sur le domaine de l'audiovisuel, jusqu'au point où j'ai même eu la chance d'être, euh, d'avoir l'entretien pour intégrer la filière à la culture, vu que j'ai une histoire artistique et j'ai été euh, intégré ou bien j'ai été sélectionné parmi les étudiants de la filière à la culture jusqu'au point où j'ai fini la formation. Maintenant, je suis même dans le domaine de l'audiovisuel. Ok, donc rêve réalisé. Quel genre de prestations faites-vous Pour un début, nous faisons la couverture photographique, les filmages événementiels, la sonorisation événementielle. C'est sur ça qu'on s'est basé. Est-ce que ça rapporte <laughs> Oui, non, mais ce c'est pas le fait de rapporter qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on apprend du manque et du gain Par exemple, maintenant, mhm. même si ça rapporte, ça c'est de l'argent, c'est du liquide. Mais qu'est-ce qu'on apprend en gagnant ou bien en échouant dans ce qu'on est en train de chercher C'est ça le plus grand gain pour moi. C'est pas l'argent, l'apprentissage dans ce qu'on est en train de faire. Pour moi, ça rapporte, même si c'est pas de l'argent liquide, l'argent visuel. Non, l'apprentissage, c'est la le vrai gain pour moi. Alors, vous travaillez seul Oui, je travaille seul, mais en collaboration. Parce que de mon côté, je préférerais dire que, à chaque fois, je j'écris des citations aussi, je, je dis que la société, c'est la richesse. L'union de ceux qui ont la force fait la force. Je ne peux pas gagner seul, mais en partageant, en faisant des collaborations. Par exemple, quand j'ai des contrats, J'appelle des jeunes qui sont dans le domaine. Je leur donne des, points sur lesquels ils vont faire les choses, ils les font, tout en les guidant et on gagne ensemble. Quel défi spécifique avez-vous rencontré à la création de la boîte En termes de défis, le principal défi, mhm. c'est que les gens sont l'habitude de dire, c'est l'argent. On ne parle que de l'argent, manque d'argent, manque d'argent. En réalité, pour moi, le manque d'argent, c'est une source de motivation même. Pourquoi on manque d'argent Quand on se pose des questions, il ne faut pas regarder la question en tant que telle. Cherchons les solutions aux au problèmes que de regarder les problèmes. Donc, la question d'argent n'est pas un problème pour moi. Le défi, c'est le manque d'idées. Donc, comme tu dis, le défi que j'ai eu, c'est le manque d'argent. Mais pour moi, je l'ai remis comme euh, solution. Je le vois comme une solution et non un défi. Donc je l'ai transformé en solution. Comment appréciez-vous les processus Est-ce que c'est compliqué pour un jeune de faire comme vous Par exemple, qu'est-ce qu'il faut à la base euh, À la base, il faut une formation. Quand je dis formation, je ne dis pas juste aller à l'école, venir sur, faire des stages, non. Et il faut s'éduquer. Faire des recherches, lire des gens qui sont dans le domaine, qu'est-ce qu'ils ont fait, mhm. comment ils l'ont fait et comment moi puis, euh, je dois faire pour amener de la nouveauté, la créativité. Ce mhm. n'est C'est pas juste venir ouvrir comme tout le monde a ouvert audiovisuel, moi-même je vais ouvrir. Non, j'ai ouvert, mais il y a un manquant. Les autres ont ouvert, je vais augmenter ce, sont, ce qu'ils ont ouvert pour amener une nouvelle tic-tac dans les domaines. Alors, euh, M. Abdraman, dites-nous comment naviguez-vous à travers les aspects financiers tout en maintenant l'authenticité de votre entreprise audiovisuelle hmm. L'aspect financier, je suis en train d'être dans mon domaine. Financièrement, on a essayé de de s'en sortir. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les fonds, il n'y a pas d'activité, on va s'arrêter et dire ça ne va pas. Non. Il y a des, activités parallèles que la personne peut faire pour que ça puisse lui servir des sources de revenus, mais tout en investissant sur son objectif, l'entreprise il n'y a pas d'activité, c'est bon, mais il faut chercher d'autres sources de revenus. Voilà les sources de revenus. Ça me permet de me référer à mon objectif principal, l'authenticité dont vous êtes en train de parler. Donc, dès que je gagne d'autres sources de revenus, je reviens sur mon point de départ, l'entreprise. J'ai fait évoluer mon entreprise à travers ce que j'ai gagné de l'autre côté. Chers auditeurs, avant de poursuivre nos échanges avec notre invité, on écoute la leçon El Fulani de sous le Mekongo. a nan ɗiyan filani inda ya kawan babu layi in ka haka yanzu babu layi da guda-guda zane kiɗana ni ne su gwangwani na yayi. sila gwangwani na balkisa a yaro ya koya bai koyi rangwada ba don nima da kyal na koya da gudu da tsalle-tsalle والهروع Alina ko diyar bilani sanda nike matsoro wal taɓa shari'ar filani de la région de Maradi, fait sous les Mekonko ou les Konko à s'y maîtriser son instrument traditionnel appelé kuntigi, une sorte de guitare traditionnelle. Dans ses compositions, Sule évoque les thématiques allant de l'amour à la dépravation de merci. mu kala maza ku yi tuwo ku zo mu kala a zo a buga mai kari ya mala kari ya kare kwari C'était Dan ma C'était de Suleyme Mekonko. Et voilà, chers auditeurs, après cette balade musicale, nous allons passer à la deuxième partie de nos échanges avec notre invité, Abdrahman. Quelles collaborations ou partenariats ont été le plus bénéfiques pour votre entreprise pour l'instant, les collaborateurs, ce sont des, ce sont d'autres structures qui, qui, sont dans le même domaine que moi. On a des bons liens avec eux. Ça va, ça va prendre de vue. Alors, euh, M. Abdran, parlez nous des difficultés auxquelles vous faites face dans ce métier. Les difficultés, <laughs> c'est toujours, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, les manques d'argent, les manques d'argent, mais pour moi, ce n'est pas des difficultés je les vois positivement. Et la conquérance <laughs> Tout ça, c'est une idéologie. Quand une personne a une idéologie, une philosophie de vie, chacun n'a qu'à vivre sa vie et se chercher. C'est la façon de voir la vie qui fait en sorte que tout ça, là, ce sont des ondes et tout, tout, tout. Moi, je prends ça positivement. Mon conquérant, il va gagner sa vie, j'ai gagné ma vie. Tout dépend de comment il voit sa vie, comment il voit sa profession, comment je vois la mienne ce n'est pas, en fait, parce que tu es mon concurrent, je dois piétiner ce que... Non. Faites ce que tu as à faire, j'ai fais ce que j'ai à faire. nous sommes en, 2024. D'ici 5 ans, où pensez-vous être Par exemple, en 2029 et quelles sont vos perspectives, vos projets d'innovation, surtout avec l'évolution de la technologie Ok, d'ici 5 ans. L'année passée, euh, revenons à l'année passée, ah, lorsque j'étais avec les Piscor, ils m'ont fait une formation en caméra, photo. Là, là, c'est juste la base. Je voulais apprendre. Mhm. C'est l'apprentissage. Mhm. Lorsqu'ils m'ont appris, voilà, j'ai compris que la vie ne se limite pas à moi seul. Pourquoi ne pas collaborer avec les jeunes C'est en ce moment-ci même j'ai créé des groupes de danse, groupes de rap, tout en étant caméraman et photographe. Je, veux vais faire leur Donc, promotion. Donc, tu étais rappeur aussi euh, Soi-disant, oui. Mais j'étais en train de les rappeurs, en fait. Parce que ce euh, lorsque j'étais avec les Piscors, j'aimais tellement la, lecture. Mhm. C'est la lecture qui m'a poussé à intégrer ces domaines artistiques. Pourquoi La lecture m'a permis d'avoir des idées. Quand je regarde une chose, je, les regarde, je la regarde artistiquement. Je ne vois pas les choses de la manière dont tout le monde les voit. Mhm. Et du coup, je ne peux pas faire les choses de la manière dont tout le monde les fait. Mhm. C'est pour cela, lorsque j'ai créé le euh, groupe de danse, quand je donne des euh, initiatives, les voix positives. J'utilise la caméra, j'ai fait des choses artistiques avec la caméra. Les danseurs sont là, les rappeurs sont là. On, a créé notre clan. Ça, c'était dans le passé. Et dans le présent, j'ai changé de localité, je suis revenu à Niamey. Le passé, c'était à Zander. J'ai changé de localité, je suis revenu à Niamey. Tout en ayant cette initiative de vouloir entreprendre. Mais comment Les comment, comment l'hippocampe, euh, euh, le niveau du cerveau qui fait en sorte que quand on se pose plein de questions, un jour on aura les réponses à ces questions. Maintenant, je suis revenu à Niamey, voilà, j'ai intégré les, artistes, j'ai même eu la chance d'être sélectionné parmi les intervenants de la culture et les artistes qui, vont faire, qui ont fait la filière art et culture jusqu'en mon master 2. Ça, c'était les présents, jusqu'à ce que j'ouvre même ma structure aujourd'hui. Lorsque j'étais à la filière en 2019, j'ai mhm. créé, j'ai écrit mon objectif dans quelques années, dans cinq ans. Mon premier dans cinq ans que j'ai écrit, c'était en 2019 jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si ça attend les cinq ans, mais quand même, je l'ai réalisé. Mon, premier objectif de, dans cinq ans, c'était d'avoir ma structure en place. Tout OK, et c'est déjà acquis. Maintenant, vous me reposez une autre question dans cinq ans, futur, pas présent, futur, qu'est-ce que ça deviendra Le passé, c'était l'apprentissage. Le présent, c'est l'action. Le futur, ce sera la liberté financière. Ce qui veut dire que les jeunes, je vais les aider du moment où je suis libre, euh, je suis libre financièrement. Ce qui veut dire que dans cinq ans, Alambo sera milliardaire en ah termes de fonds, de matériel, de morale, tout ce que je veux je l'aurai du moment où je suis planifié. Alors, Al-Hassan, dernière question. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaitent entreprendre dans le secteur audiovisuel hmm, Les conseils. Ok. Euh, partons du, terme je veux. Mhm. Certes, c'est bon de dire je veux. Tout le monde veut. Mais qu'est-ce qui euh, te, pousse à vouloir la chose C'est pas le dire seulement, mais le faire. Et mhm. comment le faire par exemple, je veux être ceci. Tout le monde peut le dire. Mais est-ce que tout le monde peut le faire C'est ça la question. La, question que je m'étais posée auparavant, c'était quoi Comment réaliser mon rêve, moi à moi mhm. Je me suis posé la question. Et après, euh, j'ai écrit dans, dans mes citations, un rêve écrit avec une date devient un objectif. Vous me suivez Un objectif avec des étapes devient un plan. Et un plan soutenu par l'action fait de vos rêves une réalité. C'est ce plan qui m'a permis de devenir ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas, par exemple, on devait ce que l'on dit. Et c'est à travers l'apprentissage continu. Je n'ai pas dit de dire seulement et de s'asseoir dans un angle, soit disant que je veux. Non, tu veux, il faut le chercher. Cherchons-nous alors. <laughs> Merci Abdraman Alassane Mohamed d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous vous souhaitons un bon vent. Merci beaucoup. Merci. rendez au sommet. Inch'Allah. On fait une petite pause et on se prend juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique. Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, il est l'heure de notre rubrique hebdomadaire consacrée à la justice pendant la période de garde à vie à la police ou à la gendarmerie, il est souvent fréquent de voir une personne interpellée se faire déshabiller avant de rentrer en cellule. Pour Maître Mohamed Lawali, ici de justice à Maradi et membre de l'Association nigérienne de défense des droits de l'homme à NDDH, en période normale, c'est une, une violation des droits de la personne interpellée. Il est au micro de Mohamed Maman. Nous sommes un État de droit démocratique en normal. C'est la loi fondamentale de notre pays qui s'applique, qui est la Constitution. Elle confère à chaque individu un certain nombre de droits qui sont inhérents à sa nature en tant qu'être humain. C'est ainsi que la personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation absolue de la protéger. Nul n'est soumis au service ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Donc, euh, tout agent de l'État qui se rendrait coupable d'actes de torture, de services de traitement cruel, inhumain ou dégradant, sur sa propre initiative ou sous instruction, sera puni conformément à la loi. Quand quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, est appelé à être interpellé par les forces constituées, donc les unités d'enquête, à savoir la police, la gendarmerie ou la garde nationale, on peut le garder à vue, mais en respectant un certain nombre de choses humaines. Donc on doit le fouiller avant de le mettre à la garde à vue dans la cellule, faire l'inventaire de tout ce qu'il possède, consigner ça et le sécuriser. Mais nous, dans la pratique, donc, il nous arrive très généralement que les forces de l'ordre, en vue de casser le moral parfois des délinquants ou des criminels, on est obligé de les déshabiller. Parce que quand on prive un individu de son habit, il est presque à moitié nu, quelle que soit sa force de caractère, ça le casse. Donc ça fait partie des stratégies opérationnelles forces de défense de sécurité. Alors, maître, qu'est-ce que vous faites en tant que défenseur des droits de l'homme Bon, nous, en tant, en tant que défenseur des droits de l'homme, on peut considérer ça apparemment comme déjà une atteinte à l'intégrité physique ou à la dignité de l'être humain. Parce que à cette étape-là, il est présumé innocent. Alors, maître, si une personne euh, qu'on a déshabillée en période de garde à vue décide de porter plainte, est-ce que c'est possible C'est possible parce que l'infraction pour laquelle une procédure et diligentée contre lui, elle est là. Elle n'empêche pas une autre procédure dans laquelle lui, il pense que ses droits individuels ou ses prérogatives individuelles, en tout cas, sont mises à rude épreuve. C'est deux procédures le juge va l'écouter. Mais est-ce que ça peut aboutir Parce que bon, là, c'est une plainte contre peut-être la police, la gendarmerie. Pourquoi non Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Que vous soyez police, gendarme ou garde, vous êtes des acteurs de l'État soumis à la loi. C'était la rubrique Hebdo Justice réalisée par Mohamed Maman. À présent, chers auditeurs, je vous propose la troupe culturelle des filles des tyrosérines dénommée Al-Bishir. est l'un des groupes qui fait résonner le nom de Tirozerine en dehors de la Chorichara, au-delà des frontières nigériennes. Ce groupe est toujours présent lors des grands rendez-vous, représente aussi la fierté du Niger. À travers ses titres, plein des et de l'harmonie avec le quotidien du peuple nigérien. la troupe de de Tirozérine, chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre dans cette émission, eh bien, dites-vous que vous n'avez rien raté, car vous avez la possibilité de réécouter l'intégralité de cette édition sur notre site web, le www.studiocalango.org. Place à présent code de région Habiba, maintenant direction d'IFA pour rencontrer les structures féminines qui contribuent au développement de la communauté car elles sensibilisent et accompagnent les femmes sur l'importance d'exercer des activités génératrices de revenus. À Ngimi, région de DIFA, on ne compte pas moins de 300 associations, regroupements et fédérations. Plus de détails avec Madame Adamou Rekia Salifu, présidente de la Fédération Hadinka Mata de Ngimi, explique au micro de Meina Abdelaye. na farko haɗa kan matan ma wani sabon aiki ne kafin a haɗa su bayan an haɗa su yanda za a yi jagorancin su a yi tahiya shi ma wata babban magana ce amma za ka gani mata ne wanda suke haɗa kan mace kusan ɗari ko kuma talatin ko ashirin da biyar wanda suke jagorancin su abubuwa masu mahimmanci da ake a cikin ungiya kaga akwai sensibilisation na waye ma mata kai kamar misali wajen wani cin zarafi da namiji zai ma mace ko kuma cin zarafi na ɗiya mata da ka gani mutane ɓoyewa ake amma dangane da irin irin wannan kungiyoyi na mata ana waye ma mutane kai yanzu duk wanda ya wannan abin ana kai karan shi a hudda ma yarinya ta kuma shi doka ta buge shi na daya kaga na biyu a cikin kungiya kungiya ce kaga babba wanda muke da mace sama da ɗari uku a ciki yanda muke tsarin ta ka gani da mu wannan muke hada kuɗi dala arba'in arba'in da shak da su wannan ciki muke hudda mata muke ba su bashi wannan dubu ishirin ishirin su te su juya yanzu zancen da nake maka mun ba ma mace sama da kusan arba'in jari dubu ishirin ishirin muke ba su su te su juya kuma duka a cikin kungiyar ne kuma muna waye suka da yawon banza wannan na ɗiya 'yan mata wanda suke yawuce wuce na banza ko ka gani eleb alakwan ta hutu tana ya wuce wannan uwaye suna bin sau yanzu ba irin na daba da bisu zuwa gurin mushina. Ya yanzu bangaren abin da ya shahi zama lahiya da kuma kiwo na lahiya. Ito eh dangane da zaman lahiya kaga ci gaba anan da zan ce muka samu a nan garin gegime musamman a cikin wannan kungiya ta kaga akwai uwaye wanda suke da iya samari yan fale wannan za a dora fada a gidanki ai hoda ai soke soke yanzu kan alhamdulillah hotline da uwayen suna janyo hankalin ɗiyansu suna masu bayani dangane da in ko wani abu aka maka ka ka ɗauki doka a ka. kuma alhamdulillah an ci gaba akan wannan na zaman lahiya in muka komo saman kiwon lahiya wannan akwai fannoni daban-daban na farko akwai matan da basu san ba da su je awo yanzu dangane da waye musu da kai da muke suna zuwa awo mace ta je awo ta samu allurorinta hamma in ta aihu yaro ya samu bcg musamman aihuwar wari yanzu uwa mun nuna musu su janyo ɗiyansu a cikinsu yake in tana da ciki armeni kika mace ki kai ta ma ba wani abin kuma abu ne ki kai ta likita auna ta aiko kaga wannan bangaren ma mun ci gaba sosai kuma dangane da zawaru da gare mu a ciki ko wani aure wannan yanzu a yanzu muna nuna musu cewa ka je ka yi gwaji a auna ka lahiyan kalau ko kuma miji lahiyan shi ba ma dan sira ba to kamar akwai wani tallafi da wata kungiya mai zaman kanta ko kuma shugabanni daga nan bangaren gegime ke baku domin tafiyar da waɗannan ayyuka da ku kungiyoyi na mata ke yi a nan garin gegime eh to gaskiya har yanzu dai ba mu samu wata kungiya ba wanda ta zo ta tallafa mana ko kuma wani shugaba a jikinmu kuɗin mu yake hutawa kuma a jikinmu muke rarraba shi to yanzu wani kira zaki wa sauran yan uwanki mata kira da zan ma mata a nan gurin shine mutane su sani gegime Niger ce da Bahaushe da Babarbare ba Fullatani guduma Tubawa Laraba dukkanmu yan Nijar ne in zaka kawo ci gaba ya kamata a ce mata su koyi bayan ka. ya kamata ka gani abin da shugabanni kullum suke kuka a kan shi na mu haɗa kai mu zama tsintsiya maɗar minki guda mu hudda bambamci to yanzu mine. menene kiran ki ga shugabanninmu na nan garin gegime ganin akwai kungiyoyi na mata da dama kuma suna taka muhimmiyar rawa a fannin abin da ya shahi ci gaba na wannan kasa ta Nijar. Eto eh kira da zan ma shugabanni a nan sani mata su suka kai su wannan matsayin. Yanzu yau aka ce maka an buga gangamin siyasa kahin ka samu namiji goma ka samu mace hamsin wanda su ne za su je su kaɗa ƙura'a. Lalle kam mutum guda ba a iya bashi tallafi sai an kawo kungiya. To matan nan sun haɗu sun haɗa kungiya kenan ta yaya za ku tallafa musu? Ya kamata kamata a ce su ba su wani tallafi su kokarta musu ba a ce ku ba da kuɗi a'a yau da ake cewa da a baka kihi gwara an gwada maka yadda ake kamo shi su tuna da baya matan nan suna da kokari suna kama musu kenan mata har wanda suka kai suka yunkuro kamar mace sama da 25 300 uku sun wuce wasa in aka kama musu za a gani ci gaban da aka samu na bangarori da dama za a gani an samu fiye da haka kuma bambamcin nan dai na kabila mutane su sani a shanye shi C'était le reportage à région avec euh, Meina Abdellah. Un coucou à tous nos auditeurs du côté des DIFA à travers les radios du Léram à Ngigmi et Kessa à Maria. Maria, marquons une petite pause. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Place à présent au sport avec Hasumi Gourouza qui est dans la place. Bonjour Gourouza. Bonjour Myriam, euh, bonjour Abiba. Bonjour Gourouza. Alors, la Fédération nigérienne de football a initié une formation des gardiens de but en collaboration avec la Fédération royale marocaine de football. Oui Abiba, durant 10 jours, 24 entraîneurs de gardiens de but de la Super League et des différentes sélections nationales seront outillées en la matière par des experts venus du Royaume du Maroc euh, sous la supervision du sélectionneur de l'équipe nationale Badou Zaki. Gourouza, parlons à présent arts martiaux dans cette page sport. L'Académie des arts martiaux de Niamey a accueilli hier au tournoi de karaté organisé par la Ligue régionale de karaté de Niamey. Oui, Myriam, 226 euh, athlètes étaient au rendez-vous et 17 clubs ont pris part à cette compétition qui vient de donner un nouveau souffle à cette discipline qui végète depuis un an dans la léthargie. Issou Fujibo, vice-président de la Ligue régionale de karaté de Niamey, nous fait les perspectives euh, de cette nouvelle ligue euh, et qui se prépare d'ailleurs pour les Jeux olympiques de 2028. Nous l'écoutons. Malheureusement, le karaté ne peut pas se présenter au JO 2024. Mais d'ici un temps donné, le karaté est programmé pour euh, JO 2028. Parce que le karaté nigérien n'a jamais participé au JO. Vous voyez Et déjà qu'il y a des talents qui ont commencé à se positionner. Dans le cadre de l'Afrique, nous avons deux champions d'Afrique et nous allons c'est-à-dire essayer de suivre ces athlètes avec le peu que nous avons pour les soulever, pour les faire échelonner dans le cadre international, pour qu'on puisse être sélectionné au JO 2028. Les deux champions, il y a Abdallah Issoufou, Labo, qui est junior. Ils ont remporté la médaille d'or euh, au championnat d'Afrique qui s'est passé en Afrique du Sud en 2022. Et il y a aussi un certain, comment dirais-je même, de, junior aussi, moins de, moins de 54, qui a remporté aussi la médaille d'argent. Voilà, junior aussi. Et nous avons euh, remporté aussi la médaille d'or en kata équipe. Ils sont composés de trois athlètes. Voilà. Et nous comptons beaucoup sur ces athlètes parce que ça fait un an que ces athlètes n'ont pas eu de compétition. Et maintenant, la Ligue de Niamey est en train de booster, faire en sorte que ces athlètes puissent avoir euh, leur niveau pour pouvoir continuer dans le même sens de faire présenter, c'est-à-dire le drapeau du Niger. Ces jeunes seront récompensés parce qu'on a mis un système en place. Ce système s'appelle le ranking. Le ranking, chaque compétition les athlètes arrivent, c'est-à-dire à, se à avoir des points. Et la fin d'année, nous arrivons, c'est-à-dire à comptabiliser les points, à additionner les points, c'est-à-dire le plus grand nombre de points sera récompensé. Vous voyez, c'est ainsi que nous sommes en train de classer les athlètes et ça permet aussi aux athlètes d'avoir le challenge entre eux. Vous voyez, et ça permet aussi aux différents athlètes de se booster entre eux aussi. Voilà, c'était euh, le vice-président de la Ligue régionale de karaté de Niamey, Issoufou Jibou. Gourouza, fin hier de la 7e édition du Festival international des Dokin Iska d'Anfilengue. Oui, Abiba, c'est un événement qui se déroule chaque année et qui a vu la participation de plusieurs chevaux de la sous-région. Al-Kassoum Saleh, le président de la Fédération nigérienne de sport et qu'est-ce que je vous propose d'écouter au micro de Salamato Kadri. Mais je vous précise qu'il y a des bruits derrière aux alentours parce qu'il y avait eu une course en cours. On fait euh, plus de deux semaines que nous sommes en train de courir. Trois jours, on a couru les, les Grands Prix. Alhamdulillah, tout s'est bien passé. Il y a eu euh, beaucoup de chevaux. Nous avons eu la présence des chevaux de nos frères euh, voisins du Nigeria. Et je pense que l'année dernière, je disais, j'étais heureux qu'un cheval de Flingué ait gagné la course. Ce même cheval a répété aujourd'hui. Ça veut dire que le Kinska de Flingué, bon, c'est pas les mots seulement, c'est une région de cheval. Et je prie le bon Dieu il est en dehors de Diesel qui vient de gagner deux fois le trophée. Il est prochainement un autre cheval de la région de Filingue qui puisse prendre euh, le Grand Prix. Euh, voilà, euh, c'est tout pour le sport d'aujourd'hui. Abiba, Myriam. Merci, Au revoir. Merci. Mariam, qui est la star du jour Boube Nomadi Boubé, Anin Kena est un artiste nigérien qui chante en langue zarma. C'est grâce à sa chanson Anin Kena, d'ailleurs à plusieurs fois reprise par d'autres artistes modernes, que le a a fait une renommée. Il a formé son groupe dans les années 80, dont la majorité de membres sont ses frères. Suivez son portrait réalisé par Sedi Abdou Nditan. ai ma ki buba ni kai ni fandu mai yake no mai zai dole ai won tubunu fa ai ka saban da babu gante ai mon go won gante inda ka sai mo go kiyar ga kan rajin zai har mon ma ganda a to ni woki ni zai ni kai te wato kan mamman garba funa fo ku ste ni zero won kan da mina gwamnati won wallahi fo kan jang fura ni do naira wo fo dai no ga kan kanise war wo fo ne ni ma ka tare an ni kai na den ne ma ka tare kan kali ne buba ni ni kai na wato do ni fo den ta kan kan ni kai na ai gidi gi barbar barno kwara ka kwara kalai ko nan kan wandi fo an gwamnati hanne ce kan da ma ka hina bori an cure idan ganda an maka da kabeni jango go mega gari kwa guzu muri fe fe guzu muro ai jango an ni kai na ni moto ni mini fo to kai ka fo ba to handa na ni kai na kata ai non kata amma do ko bo go kan ni ma ko ani ni kai ne to da ci ku baba woni momo ba so waran kan ga gine wanda be kwa se ko do ni de ai do hinno do na ma ki jibe ta bakai ne no ma ne ko ko sika zaka ma ki bubu no mai zaka mo sa ubai dai no shar me se bo sigen yo molo to bube son do no ni wagan ta halka son wala ninna so bunan kan bo fo bo ko atabatu ben man ko ni jina gi hin ko mega ga ko ni ko wala bo fon ko ay hin koy amma si ko no palle kasi si ko no palle ne bongo kan kani se borongo kan as kani se man kan si no hay fon se de no gin yanji wanda de bo anay burnye de ko ki mor kay se bo agidi ya ma mu de si ko fo bo ase mine buba ne kai no ka hije ya kin fo si itan gani mo gine illa bu ton di kanje ko ze no ne ka fo ham to yi tari hamar ko ki mani ka fo ri ide no di hay bo se idigina ba ni zai mu dono din san bol mata bol ba tubo bo si ba bo man nan sam sam ba ga kan ka bani gan don na mai kurgo da kai don don ko da ki ina mo musa zaman kasa su bo nami ni zam kin dono kan je kan kan mandi wana mbori e dono ko na baran kan ni dono wal mata ai dono ban kan ni dono sini mai buna kwaku atan yanga yanga sa ce bela ta abdalla ata ni ni kaina ni mata goganda danye ante maliyaro an dono te kan gitare ne siya wonte siya wonte siya wonte gitare ne na bube kan ni ngofa kaya ni ma gitare se ni ga mol se ni ga dinni bo adon te kan kan mandi ba bo amma ke to ni ko gudu bare kan ni dono nafa dura da tare wana deno han fon daka imne se ai wana yakina te cinga mai mine fila nan wana akin ni dangai ce wala digo ga dan shi bai digo shi dan shi bai abdallah la sarawo kan go faranso anin kai na ko na ga iga bana ai mo anin kai ma ga iga bana to don dan no rodin kan himga buguna matkan ni no rodin faida har mazo ba ni bo a no min sawar ba ga nin man sawar nin do no tabori shi du fa amman te me ke an kai don toren don koi ga kiki bar mu wani ba di ko furu ga hawo ki ko sai don do tar wallahi go dan kin nin no an du du kan du du zamba before dey ai wani fo in zamba zamba ta kin zan in ko no rote in zamba bai sai ke an kai don don ko ma mega bore min ga bo bondi wana wana don don don koy wallahi mi ye kagiri bondi ni mi ye kagiri bondi so before that boy kam ko gate gitar fo fo rai eh. men go makani don koy wallahi si makani fa il ko tala mana hinom am bayi heno kirgo to ni Après ce portrait inspirant, bouclons notre playlist d'aujourd'hui avec Toro de Moussa Poussi. Chers auditeurs, on vous laisse kiffer. sombo ninno tore ña kati ko tisor kay kay sombo sor kay go ke heniga kero ni za follon si go ke hen mabay honda hawi ya goro hawi no borsi cotton na fono kan go mi si deji bene ngena koy kaɓigue te noon ni sorke hen yani C'était Toro de Moussa Poussi. Chers auditeurs, c'est l'heure de notre rubrique à Lotti du Desk du studio Kalango. Et aujourd'hui, le sujet qui va aborder le Lotti, c'est à propos de ces femmes mariées qui ne restent pas chez elles. Elles sont tous les temps absentes de chez elles à tort ou à raison. Mais cela pourrait avoir des conséquences sur leur vie. Écoutons cette discussion entre Fanta Chamsou et Samira Rouafi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Non mais j'espère qu'elle n'est pas encore sortie celle-là. C'est qui là-bas Je suis à côté. C'est ta grand-mère. Viens ici. Ah, grand-sœur Ekia, c'est vous dans ce vent chaud comme ça Oui, oui, c'est moi. Mais attends Halima, toi tu ne peux pas rester devant ta concession. C'est la troisième fois que j'arrive chez toi et tu n'es jamais là. Non, je suis juste pas loin, juste à côté chez ma voisine. Toi, tu as ta maison, elle a la sienne. Tu fais quoi tout le temps chez elle Comme je me sens seule là, je m'ennuie. Du coup, je pars chez elle pour faire passer le temps. Hey Halima, range ta vie. Ça, ce n'est pas un bon comportement. Tu t'ennuies, mais ta télé, tu l'as vendue ou bien Non, non, grande soeur. Hum. Toi, pourquoi laisser ta maison sans surveillance et aller rester chez quelqu'un d'autre Religieusement même, il y a des restrictions. La femme pieuse et bonne reste dans sa maison. On n'empêche pas le bon voisinage du bonjour, bonsoir, et pourquoi pas une belle amitié. Mais ce que tu fais là, c'est exagéré. Ta voisine, je l'ai jamais vue ici. Elle est tout le temps chez elle. Tu rentres dans son intimité, vraiment c'est trop. Non, non, grande soeur, je ne la dérange pas du tout. Même quand son mari vient à midi, ils vont dans la chambre à coucher, moi je reste au salon. Hum, subhanallah, Halima, quoi Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi Genre, même quand son époux est là, tu restes chez elle. Tu n'as pas honte. Tu vois ce comportement porte à porte que tu fais là. Cela ternit ton image et on se connaît. C'est comme ça que commencent les ragots, les médisances sur autrui. Et tout cela, c'est des petits péchés que tu gagnes cadeau. Grande soeur, on ne fait rien de malin. C'est parce que je me sens seule, je vous ai dit. Mon mari ne rentre que le soir. Donc je l'aide aussi dans les tâches, on cuisine et on mange ensemble. Ah La fille s'y va me tuer. Gère, tu ne peux pas cuisiner chez toi. Et puis tu sais quoi même, vu que c'est la nuit le problème, je vais rester jusqu'à l'arrivée de ton mari et je lui dirai de te faire une coépouse. Comme ça, elle va venir occuper ton autre chambre. Tu ne vas plus t'ennuyer. Subhanallah. Je veux dire, Djam, grande soeur, ne me souhaitez pas ça, je vous en prie. C'est fini, à partir d'aujourd'hui là. Je n'irai plus là-bas, je vais rester chez moi, je vous le promets. Ah, si tu veux le faire de bonne foi, fais-le pour ton propre bien et ta réputation. Car je suis sûre que ta voisine là, elle ne peut juste pas te dire le fond de sa pensée, mais tu es trop dans sa vie privée. À t'écouter, je me rends compte que j'ai vraiment exagéré. Mais c'est de l'histoire ancienne. Je resterai aussi chez moi dorénavant. Et j'irai même lui demander pardon pour le dérangement, Inch'Allah. Toi aussi tu as compris ton erreur, tant mieux. Bon, apporte-moi un rafraîchissement, moi j'ai même soif. D'accord, tout de suite, grande Ah bah, moi tu vas passer ton temps tout le temps, tout le temps chez ta copine, comme si tu n'as rien à faire dans ta propre maison. bonne bon Dunia d'ailleurs, on va ah bah. Merci les filles pour vos conseils. Passons à présent à la rubrique culture linguistique en français et en anglais avec Jackie Dalton. Le mot du jour est radio. Hello and welcome. Bonjour et bienvenue à cette toute première édition de la rubrique Culture linguistique. Notre mot en anglais aujourd'hui sera radio. Radio en anglais, c'est tout simplement radio. En fait, c'est exactement le même mot qu'en français, mais c'est la prononciation qui est différente. En français, in French, radio. En anglais, in English, radio. Radio. Je vous invite à répéter après moi. Radio. Je ne sais pas vous, mais moi, depuis bah, toute ma vie, en fait, j'écoute la radio. Mes parents écoutaient ça à la maison quand j'étais petite et j'ai toujours adoré me sentir connectée avec des gens que je ne connaissais même pas, des voix de tous les coins du monde qui racontaient plein de choses intéressantes. Et malgré le fait que maintenant on a la télévision, l'Internet, le téléphone, J'écoute encore la radio tous les jours. Et pour dire j'écoute la radio tous les jours en anglais, on dit I listen to the radio every day. I listen, j'écoute, I listen. I listen to the radio. J'écoute la radio. Allez, maintenant je vous invite à répéter, où que vous soyez, I listen to the radio. I listen to the radio. I listen to the radio every day. J'écoute la radio tous les jours. Every day. Tous les jours. I listen to the radio every day. Et même si ça fait bien plus de 100 ans que la radio existe, je trouve encore que la radio est une chose vraiment magique et miraculeuse. Et ça, c'est pourquoi I listen to the radio every day. Radio, that was today's English word. Merci Jackie Dalton. À bientôt, chers auditeurs. Si vous avez d'autres mots, expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je répète encore 82 89 89 64. Justement, Habiba, il est temps pour nous d'écouter les messages de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Basiru garin Malam da magaram jamhuriyar Nijar. To mu gaskiya muna ma studio Kalangu fatan alkhairi matuƙa dangane da cika shekaru takwas tuf shekaru takwas ba kwana takwas ba gaskiya sosai muna mata fatan alkhairi Allah ƙara hazaƙa kuma Allah sa ta yi shekaru irin na dabino. e mu gaskiya shirye-shiryen studio karamku sun wayar mana da kai kuma sun nuna mana yadda za mu so kasan mu so al'umma kuma mu musamman ma mu matasa ta wana mana shirye-shirye na wayar da kai irin na mu haɗu a fada da matasa mata domin sanin su ma menene ya kamata matasa su kawo maza da mata su kawo su da ƙasa kuma tala wayar da kai sosai bisa kan ilimi da zamantakewar rayuwa da ɓangaren al'amura na rayuwa musamman ma na kiwon lafiya sosai sosai muna godiya kuma wannan shiri ta wudo sabo na nitar kasir kalanku gaskiya shi ma ya ba mu dama domin mu san artist mu matasa da wanda suka jima ba a ji su ba da ma masu harkokin kirkire-kirkire to gaskiya sosai wannan ma ya ƙara kayatar da mu sosai kuma muna kira da ita studio kalangu don allah da ta buɗe mana wata kafa dan club cewa da wani gurfi ne na sashen wazaf ne ko gurfi ne dai wanda zai ba da dama ga masu sauraranta domin tura saƙonni domin ba da ra'ayika a duk lokaci in ta ɗora shiri irin na kafafe na yada labarai na duniya muna so gaskiya su doka ku ita ma da ta shiga sauran irin wannan kafafe domin yadda za mu rika tofa albarkacin mu kuma kenan su masu sauraron nata na gabas ya san na yamma na kudu ya san na arewa kuma muna gaida abokanmu yan uwa da amanan arziki musamman masu sauraron rediyo na afirka muna masu fatan alkhairi kuma muna gaida amanan arziki balarabe a gaida mun muhammad naziru da yake nan unguwar garin malam ina so a gaida mun uwaye na maza da mata. Aino mun kai limu mun kolbu na yi wa rajo kalangon gar kono ce da ce a ga hangan a ga faham a gugu fahamai a hanganin wara. zama irga ma labari yanki ginno ngai no ginnon da irgo ga di alhali go ga mamu mutkan go te dunyara ko inda hadde rezo karari go hey kulkan go te rezo fora irga faham mutkan kin bare go baye kai boye kai charga ga goyi labo mutum ga bunga burku musuka kan bukoli gane imidi o zama di rezo zo kana radio go kai ku tare ni no ara jo kana ni da chota songo dubar go jo chota hanga kalangu kan la ba mutu am wom ko te san foke ki i chota la kan bo go hanga ni na radio kalangu agin no bo fere a sai no alhamdulillah irgo ga hanga wallahi ce Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Habiba Ahmed et moi-même, Maria Mahade. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau duo. La technique était assurée par Seni Isaka et Raila Toussoumana était à l'édition. N'oubliez pas de rester branché à 17h pour suivre nos journaux en 5 langues. Je vous retrouve également à 17h15 pour le journal en Bon début de semaine à tous.